jullit la ee waay ndeysaan kii moo neex sagam sa maam lañu taal taal saa baay fii kenn du fi des yow moom kanja bu baax bi nga woo ganja Aïssatou maintenant on va parler 3D ak suñu invité bi li ngeen doon gis noonu mooy teaser li nga xam ne moom la réalisé waaw euh, bijou tey nag ku ñu invité amat ngi donc mom dafa def ben voilà dafa def ben film bo xamantene c'est sur euh, animation 3D dafa def film bi mi ngi Ganja daf ko def ci walum cinéma ci walum drogue euh, amat wa Ganja kay mom tour bi min na ko ni <laughs> ça m'a donné quelque chose amin nga tour bi <laughs> mm. ah yeen ñep mus ngeen ko dégg me faites pas des ah ici Ganja yeen xam ngeen luy Ganja buma ma kenn dugal yow sa bop bi bi nii sax déjà ah on ne sait pas. on ne sait pas Amath ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission bi. Euh, maa ngi lay fay Aïssatou euh, di nuyu seen naataango yi nga xam ne ñoom la fekk fii ci plateau bi. Euh, di nuyu aussi sama mbokku techniciens yi ñu nekk ci ginnaaw caméra yi. en particulier euh, mon frère d'armes parce que dama fa am frère d'arme Pape mhm. Samba voilà donc di aussi képp TFM mhm. voilà Dylan dalal voilà bijou est-ce que

Wow, ganja xam nga euh, le constat hein, parce qu'on a vu qu'au Sénégal les drogues de plus en plus de filles commencent à me doole. donc euh, suñu film dañu jël un prétexte comme euh, yamba comme prétexte. Mhm. mais tu vois drogue la drogue. Mhm. donc nous bëggoon sensibiliser wax ak jeunes wax vraiment ne vraiment euh, drogue c'est pas une solution du loo xam daf lay yéegal du loo xam daf lay ci <laughs> donc euh, lolo tax ñu euh, le titre comme Ganja déjà pour accrocher public mhm. pour pousser les ñu parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages de sensibilisation mais mm. fi gars yi doon faillir à chaque fois xamuñu woon nu ñuy accrocher seen public. Mm-hmm. donc ñun si loolu lañ njëkk liggéey pour que nit ñi prêter attention si message bi ñu bëgg a bàyyi. lan moo waral animation bi en 3D animation bi en 3 c'était un choix comme ça pour mieux véhiculer le message ñëpp jot si wala c'était c'était quoi. oui y a ça il y a ça mais man ku ma xam euh, dès le départ man je suis passionné d'animation. Mhm. déjà ma spécialité c'était l'animation. Mhm. mais euh, ku xam animation xam ne euh, dafa laaj moyen bu bari pour mhm. produire un film même bu dee lu ndaw dafa laaj temps ak jàng la recherche bu donc on n'avait pas eu les moyens depuis lors pour faire l'animation. animation mhm. euh, mais fi, euh, histoire de daf ñoo daf ñoo pressé animation parce que déjà on devait mettre en scène des gens qui parlent donc mhm. euh, mhm. yamba donc il fallait forcément nous dessiner ko en 3D pour faire ko d'accord nan la que c'est cher en fait pour par exemple un court métrage de 10 minutes comme nga ça va coûter dans les combien c'est excessivement cher récemment rek bi fait première film bi il y a un de nos grands frères euh, Gano que je, que je salue de passage moo mhm. à la DCI mon boy hall Wallam loolu mon moom moo ay prix ou film budget ou mhm. film mhm. donc bi mu koy natt ci kanamu ñep un na film bi lu lu ci 50 millions au minimum mhm. donc wax na un film de 10 minutes bu melni buñ ko doon production 50 millions la mais est-ce que du loolu moo souvent dañuy kaas ne ñun amuñu ay dessins animés yoo xam def nañ ko pour xalé waaw loolu loolu la c'est non seulement c'est cher mais ça prend énormément de temps. Maintenant, il faut que nous savions que ce qu'il faut pour nous, mm il a fallu des jeunes qui savent qu'ils sont sacrifiés. Mm -hmm. Ils laissent leur travail, ils laissent leurs activités mhm. pour que nous puissions avoir 10 minutes d'animation. Mhm. Mais on se dit que c'est toujours bien. Euh, 10, 10, 10 minutes. Non, 10 minutes. Il a fallu combien de temps, combien de temps, pour faire le film La production, ça nous a pris 6 mois. Mais avant cela, je me suis donné individuellement, côté écriture, après pour production. Quoi. Mm -hmm. Mais pour la production, ça nous a pris 6 mois. Mhm. c'est une équipe de combien de personnes. Euh, équipe bi bu ci bolé acteurs et techniciens xamna une trentaine rek ah. waaw hmm. trentaine de jeunes. en tout cas nous on vous souhaite ñu am studio bu melni Pixar. <laughs> Ah, Amin fi Sénégal. dina nek ça comme ça on aura nos dessins 3D ak yenen ak yenen pour suñu doom yi mais il faut toujours des pionniers. bien sûr merci beaucoup et pour. merci terminer ñu wax. Mhm. drogue mom baxul bu ko kenn jema utiliser parce que lu dul yakal la sa dund du ko def voilà. Ah, merci merci beaucoup. Euh, euh, Amad Ndiaye donc euh, premier sortie film c'est le 27 juillet. à mhm. banlieue de Dakar Banner daw na pare non. non daw pare première bi saa voilà. À Bijou nag yaa ngi wane sa bopp. gànjaa gi eh? ak Samba la moo fi cuuraay. <laughs> waaw xam bon yeneen. fan lañ peut-être Benen yoon ci ay festival parce que on a un problème aussi au Sénégal mooy mhm. cinéma bi amuñu ay plateforme de diffusion. Mhm. c'est clair donc il faut que ñu basé aussi festival yi wala peut-être TFM jënd ko wala beneen. non dañ koy jënd kii ma jox ma prix rek yow. 50 millions yi 10 millions <laughs> merci beaucoup en tout cas d'être passé sur le plateau. c'est une super nouvelle et puis il faut des pionniers partout comme je dis euh, mais nañu egg ba Pixar Inch'Allah.